Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangu. L'émission qui réunit des confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser les faits marquants de l'actualité de la semaine écoulée. Au menu du forum de la presse de ce soir, d'abord la situation sécuritaire qui prévaut dans la région de Difa avec l'attaque perpétrée par des groupes terroristes dans le village de Baroua dans la nuit du 24 au 25 août dernier ayant occasionné la mort de 16 éléments de force de l'ordre et de sécurité. Nous parlerons aussi de la région de Tilaberi où les autorités ont entrepris une opération d'identification de motos après l'annonce de la levée de l'interdiction de circulation de motos. Ensuite, euh, nous aborderons le flux des migrants refoulés de l'Algérie. Le 30 août 2021, 790 personnes sont arrivées à Agadez, composées de plusieurs femmes et enfants. Enfin, volet éducation pour parler de la construction d'un internat de jeunes filles à Kélé dans le département de Gouré, région des Anders, en vue donc de maintenir la jeune fille à l'école. Pour échanger autour de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Hussein Issa, journaliste freelance. Bonsoir Hussein. Bonsoir. Memouna Gado, journaliste freelance également. Bonsoir Memouna. Bonsoir Fatih. Arimi Abachari, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Fatih. Je suis Fatih Zakari à la présentation de cette émission. Euh, éléments de force de défense et de sécurité ont trouvé la mort et neuf autres blessés lors d'une attaque menée par Boko Haram contre les positions de la nuit donc euh, du 24 au 25 août 2021 à Barwa, région de Difa. Une cinquantaine d'assaillants ont été tués et une importante d'armes et munitions calibre saisies. Je commence par Arimia. Pensez-vous donc que ces attaques des groupes terroristes peuvent causer des inquiétudes chez les populations qui, comme vous le savez, étaient de retour dans ce village après six ans de refuge Évidemment que oui, ça doit d'ailleurs inquiéter. Mhm parce que là, ils viennent juste de retourner mhm. Et il faut savoir que Barwa, c'est quand même tout un symbole, mhm. parce que euh, c'est le premier village euh, retourné dans la mhm. région et il fallait bien s'attendre à ce qu'ils viennent défier, tenter leur chance, je dirais, et c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement pour eux, ça ne s'est pas bien passé, même s'ils ont causé la mort de 16 vraiment euh, forces de défense et de, sécurité. Mhm. Et donc, moi, je pense que c'était prévisible. Mhm. Euh, malheureusement, Barwa constitue aussi quand même un verrou euh, situé sur la goût donc en allant vers les îles du lac Tchad mhm. ou à venir vers Difa, ça constitue un verrou. Et la présence de la population a fait que les forces de défense et de sécurité sont aussi là. Mhm. Et donc, il faut, il a fallu vraiment qu'ils viennent essayer, tenter leur chance pour voir. Heureusement, la réaction a été prompte. Mhm. Et donc, euh, certainement, ils vont revenir. Il ne faut pas s'en douter mhm. parce que, euh, oui, ils ne sont plus aussi forts qu'avant. Euh, c'est ce qui justifie un peu la calmie qu'il y a dans la zone. Mais ils vont essayer. Parce que sinon, c'est comme si ils renonçaient vraiment à tout ce qu'ils ont posé comme acte euh, depuis le début, depuis 2015. Euh, mm-hmm. Et donc, je pense que euh, oui, les forces de défense et de sécurité aujourd'hui sont aguerries. Ils connaissent la zone aussi bien que euh, les assaillants, les, mhm. ceux qui viennent assassiner, vraiment ce qu'on appelle aussi les terroristes. Mhm. Et donc, euh, leur, réaction ne peut être que prompte. Mhm. La preuve, ils étaient préparés, même si c'est de nuit qu'ils ont été attaqués, même si c'est par l'eau qu'ils sont venus, parce que c'est par le lac qu'ils sont arrivés, semble-t-il. Et donc, euh, je pense que la population aussi est aujourd'hui plus préparée. Hussein Issa, pensez-vous euh, que cette attaque euh, de Barwa euh, peut causer des inquiétudes au niveau des, populations oh, mais Fatih, bien évidemment, vous parlez bien d'attaque. Vous savez, c'est une population meurtrie, cette mhm. population de Difa. Mhm. Plus précisément, la population, les habitants de Barwa. Vous l'avez dit dans l'introduction, mhm. pendant six ans, pratiquement, ils ont fui leur localité, pour être dans une situation d'assistanat pendant toutes ces années. Bon, qui vivait cette situation-là. Maintenant, ils sont retournés. Ils sont retournés avec l'assistance de l'État et que, bon, il y a des garanties qui ont été données l'État a promis de mettre en place un dispositif militaire permanent qui va permettre de garantir la sécurité. Parce que bien avant l'attaque, je me rappelle, il y a eu un ultimatum qui a été donné, que Boko Haram a donné, mhm. comment dirais-je, a lancé aux populations, de ne pas chercher à cultiver ou reprendre les activités de pêche et autres. Mais malgré tout, quand les gens sont retournés, ils ont repris ces activités-là. Mhm. Maintenant, en fait, euh, le plus important, c'est bien ce qui s'est passé. Bon, il y a eu bien, évidemment, c'est une espèce de barreau d'honneur mhm. pour les gens de Boko Haram c'est notre zone, nous l'avons peut-être, ils se disent, nous l'avons conquise, nous n'allons pas accepter que les gens reviennent encore. Mhm. Mais ils ont tenté une première fois, certainement, comme l'a dit Arimi. Mhm. Ils vont vouloir encore poser d'autres actes. Il ne faut mhm. pas se faire d'illusions. Oui. C'est des gens, ils sont affaiblis, mais ils se reconstituent vite. Y compris sur le plan matériel, ils se reconstituent vite. Maintenant, ce qui importe, c'est que le dispositif militaire soit là de manière permanente, mhm. avec des patrouilles régulières pour empêcher, ou du moins, on ne peut pas éradiquer de manière définitive les attaques, mhm. mais on peut créer les conditions pour que ceux qui viennent attaquer là, mhm. qu'ils soient décimés. Quand on va arriver à un niveau où on les décime, on les décime, ils vont plus revenir. Parce qu'il n'y aura plus personne qui va accepter d'aller. Parce que tu sais que quand tu vas venir attaquer, il n'est pas évident que tu puisses se retourner vivant. N'est-ce pas mhm. Moi, je pense que les populations sont fatiguées. Mhm. six ans d'exil forcé, mhm. c'est insupportable. C'est insupportable. Ils sont retournés, ils ont repris leurs activités. Il y a l'armée qui est là à côté. Ça veut dire qu'il y a une garantie, en tout cas de sécurité qui est là. Mhm. Et il ne faut pas aussi perdre la vigilance. Il y a d'autres localités en dehors de Baura. Mhm. On sait un peu le mode opératoire de ces gens. Mhm. Quand ils attaquent une localité et que la localité est sécurisée, ils se retournent vers une autre localité, ainsi de suite. C'est la même chose qui se passe dans la région de Tel Aviv. Il faut que le dispositif militaire soit permanent et que comme avais-je dit, les patrouilles soient renforcées. C'est-à-dire, ce pas des dispositifs fixes comme ça, mais il faut qu'il y ait des patrouilles régulières pour pouvoir empêcher, en tout cas à ceux-là qui tentent de venir euh, et inquiéter les populations quand ils viennent, qu'ils ne puissent pas retourner. Mm-hmm. Mme Gado, comment outiller les forces de défense et de ah. sécurité afin donc de mieux sécuriser cette localité euh, Je tiens d'abord, euh, Fatih, à présenter mes condoléances donc à ces familles qui sont aujourd'hui meurtries et ces mhm. familles aujourd'hui qui sont en train de vivre le deuil de leurs enfants, mhm. de leur mari, de leur épouse, et de leur époux. Donc, euh, c'est juste pour dire que et également profiter pour féliciter les forces de défense et de sécurité mhm. qui sont dans cette zone et qui veillent sur la sécurité euh, de ces populations. Donc, euh, comment les équiper On l'a toujours dit, il faut les équiper, il faut leur donner des armes, de vraies armes, si je peux le dire, parce que <laughs> donc quand je dis de vraies armes, il y a armes dans armes, comme on le dit aussi. Donc, il faut vraiment leur donner les moyens nécessaires pour euh, parvenir à mieux sécuriser, mhm. en tout cas, ces populations. Et d'un côté, il ne faut pas également oublier financièrement parce mm. que c'est vraiment euh, des militaires qui ont mm. besoin de soutien qui ont besoin également d'être dans des conditions de vie meilleures, ça veut dire que celui qu'on envoie sur le front, on doit s'assurer que cette personne est tranquille d'esprit. Mhm. Ça veut dire que y a, cette personne, en tout cas, n'a pas de problème financier, mhm. parce que euh, c'est ça aussi, parce que quand tu te trouves sur le front et que de l'autre côté, tu n'as pas ta famille en mhm. sécurité financière, donc tout peut arriver. Donc il faut vraiment mettre les moyens les moyens logistiques, mhm. les moyens financiers à ces forces de défense et de sécurité. Mhm. Ce que nous avons vécu de Baura, ça veut dire tout simplement que c'est un défi qui a été lancé mhm. par ces forces du mal à l'État du Niger. Parce que, comme euh, vous le savez, le président de la République est parti personnellement reconforter ces populations, Personnellement, il a veillé à ce que ces populations regagnent leur village mhm. qu'ils ont abandonné durant six ans. Mhm. Donc, une façon pour euh, ces ennemis euh, du mal, donc euh, Boko Haram, de venir tester le terrain. Mhm. Est-ce que aujourd'hui, on a quelle force, quelle accessibilité pour atteindre ces populations Il faut de temps à autre également les galvaniser par leur présence, leur montrer que le peuple nigérien est avec eux, que l'État du Niger est avec eux, mhm. que le président de la République en personne est avec ses forces de défense et de sécurité. Restons toujours sur la situation sécuritaire, cette fois-ci de la région de Telabéry, où une opération d'identification des motos est lancée par les autorités de la région après l'annonce de la levée de l'interdiction de circulation des motos euh, qui a donc débuté euh, ce 1er septembre 2021. Arimi Abachari, euh, comment appréciez-vous cette opération opération d'identification des motos de la région du Télé. Oui, naturellement. En fait, euh, malheureusement, c'est quelque chose qui ne pouvait pas se faire euh, quand euh, les motos ne circulaient pas. Mhm. mais pendant que les motos circulaient déjà, l'État, en tout cas les, structures de l'État, devaient disposer d'une base de données de tout le matériel roulant mhm. dans leur territoire. Euh, c'est valable pour toute la police nationale, c'est valable vraiment pour n'importe quelle région. Mhm. Euh, les motos, les voitures, euh, les tricycles qui circulent dans la mhm. zone doivent être identifiés et connus de tous. Mhm. Malheureusement, je dirais, nous avons des frontières vraiment très poreuses où il est très difficile à la douane d'abord de contrôler l'entrée et la sortie parfois mhm. euh, de ces engins, mhm. mais euh, sans quoi vraiment c'est bon de savoir. Et ce qui fait ça, c'est que bon, le traitement réservé à quelqu'un qui achète une moto pour lui-même, pour son enfant, c'est un peu compliqué mhm. euh, parce qu'il faut dédouaner ici, faire ça. Je crois qu'il faut même alléger les conditions pour que tout le monde comprennent que c'est dans l'intérêt de tout un chacun, mhm. c'est dans l'intérêt de la nation que le matériel roulant soit identifié. C'est avec ça que tout le, tout, le mal est posé, mhm. causé. Euh, la moto aujourd'hui, c'est devenu euh, des engins de guerre. Mhm n'est-ce pas Il y a même une marque là bien identifiée qui serait vraiment très adaptée à la zone et qui, qui est prisée par euh, souvent les terroristes. Mhm. Donc c'est bien d'identifier tel que c'est en train d'être fait à Niamey. C'est bon de savoir, tout vous avez vos pièces qui permettent de savoir que mhm. c'est quelque chose qui vous appartient. Vous avez vu avant-hier euh, le témoignage de la dame euh, qui disait que c'est un taximan, un taxi qu'il a mhm. pris, mhm. mais finalement c'est un taxi sans numéro, mhm. c'est un taxi qu'on ne peut pas identifier qui a causé l'acte. Euh, ils peuvent même tuer. Et donc même les terroristes peuvent aussi utiliser de tels. Euh, c'est pourquoi c'est bon, mais l'État doit jouer le jeu en facilitant. Parce que si, bon, euh, une petite moto, si l'enfant n'a pas l'argent, ses parents n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas venir identifier. Créer les conditions, je me rappelle, il y a un ou deux ans, mhm. la douane avait cassé euh, en deux, mhm. n'est-ce pas Il a baissé les frais euh, de dédouanement de 50%. Mhm. Parce que ce que j'ai dit, c'est extrêmement sérieux. Si tu contournes, tu rentres avec ta moto sans dédouanement, ça peut te revenir à un tiers moins. Alors que si tu contournes, tu passes correctement, tu peux dépenser tout, tout cet argent peut-être que tu n'as pas. Donc il faut encourager mhm. les citoyens à venir mhm. se faire identifier, faire identifier le matériel qu'ils utilisent pour qu'à distance déjà si on voit qui vient on puisse savoir que non cette, moto ne nous appartient pas c'est pas pour les Nigériens en tout cas pour les Nigériens qui sont dans la ville, ainsi de suite. C'est mhm. extrêmement bien. Moi, je pense que oui, il faut identifier, surtout après quelques quatre ans, pratiquement même pour Tilaberi maintenant, mhm. euh, de, de, suspension de circulation euh, à moto. C'est une très bonne chose qu'on euh, que on les identifie, qu'on sache qui utilise quelle moto et quand c'est volé, qu'on sache que ça a été volé, mais aussi quand c'est utilisé pour poser des actes graves, qu'on sache que c'est la moto d'un tel qui a servi. Je pense que c'est une bonne chose. Ousseini. Est-ce que, euh, selon vous, euh, cela peut donc euh, éviter les risques qu'il y a autour de la levée de l'interdiction de circulation des motos ben, C'est bien l'identification. Normalement, <laughs> une moto, quand on l'achète, pas seulement une moto, tout bien qu'on possède, on doit pouvoir, en tout cas, en tout cas justifier que le bien vous appartient. Une moto, c'est un moyen de locomotion. Ici, quand vous achetez une moto, vous êtes obligé quand même de faire l'assurance, de mhm. faire, comment dirais-je, la carte grise et tout et tout. C'est comme les véhicules. Bien évidemment, dans les campagnes, dans les zones, les gens, souvent, ils achètent les motos. Il n'y a pas de contrainte comme à Niamey. Mhm. À Niamey, bon, dans les grands centres, c'est qu'il y a la police pour contrôler de temps en temps si vous possédez. C'est une bonne chose. Mais du point de vue de, comme avait dit, de la réduction, pour dire que ça, va, ça va permettre d'empêcher les attaques ou du moins de, savoir qui. Non, ça va être compliqué. Mhm. Ça va être compliqué parce que vous savez, on a interdit les motos pendant pratiquement une année, des mois. Mhm. Mais ça on n'a pas empêché à ce que les djihadistes viennent en moto, souvent mhm. par centaines. Ils rentrent dans un village, ils tuent, et puis ils s'en vont avec mhm. les animaux, n'est-ce pas Mais maintenant, si on identifie même, on sait un peu comment ça fonctionne dans les villages. Mhm. Dans les villages, quand tu as des mariages d'un village à un autre, c'est en moto que les gens vont. Quand tu as les marchés hebdomadaires, c'est en moto que les gens se déplacent, il y a les cab-cabos et tout et tout. Mais le problème qui risque de se poser, c'est la confusion. Parce que bon, quand bien même la moto est identifiée, cest à que oh, vous avez été identifié, oh, on vous a décerné un document qui atteste que c'est votre moto, numéro et tout, et tout, avec votre photo. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu un modèle là. Mhm. Il y a même la photo du. Euh, mais le problème, c'est que. En, rase campagne, mhm. si vous tombez nez à avec une patrouille qui voit un lot de motos en train de <laughs> circuler, est-ce qu'ils vont avoir le réflexe de, vouloir les arrêter pour les contrôler ou, les, ils, vont, ils vont les bousiller. pour pouvoir contrôler, <laughs> il faut arrêter les gens. Mais alors, vous prenez le risque. Ça peut être des gens qui sont là et que c'est des, kamikazes. ça, ça, ça, va être un dégât. Et c'est ça qui va faire la difficulté. En ville, encore, c'est bien. Mhm. C'est-à-dire qu'on sait, quand vous circulez en ville, quand vous êtes sur la voie, la, voie bitumée, pour aller dans un... Mais quand c'est en brousse, là, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, vraiment, il faut craindre des, des, des, bavures. Il faut craindre des bavures. Ça, il n'y a pas de doute. Il y aura certainement, je ne le souhaite pas, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Mhm. Les gens sont sur les nerfs mhm. en brousse. Ils vont pas vouloir attendre. Pour contrôler quelqu'un, il faut l'arrêter d'abord. <laughs> Est-ce que vous allez prendre le risque Voilà. Vous allez prendre le risque de dire bon, <laughs> voilà, il y a un, des motos qui arrivent. Que vous allez attendre d'abord une file de motos qui arrive. Alors que, bon, dans les campagnes, c'est comme ça que ça, ça, fonctionne. Il y a des risques. Hein. C'est une bonne chose. Mhm. Le fait de reprendre la circulation, d'autoriser la circulation des motos, c'est une bonne chose parce que ça a paupérisé davantage les populations de la région. Mhm. C'est à travers, c'est grâce aux motos que les gens vont dans les marchés. C'est les motos qui servent de moyens pour transporter des malades dans les formations sanitaires. Finalement, la moto dans ces zones-là, mhm. c'est le premier moyen de locomotion. C'est le premier moyen. C'est tellement répandu, même dans les campagnes. Mais maintenant, c'est Comment parvenir à faire la PAC de choses mhm. Mhm. C'est ça la difficulté. Comment faire la PAC de choses Parce que les djihadistes, ils sont habillés comme les populations civiles. Mhm, voilà. voilà. Ils n'ont pas de tenue ou de, euh, comment de signalisation particulière qui, mais, bon, c'est tout ça là, tout ça, il faut le faire. Moi, je pense que à partir du moment où la mesure n'a pas pu empêcher les attaques à moto, il faut permettre aux gens de circuler sur leur moto. Maintenant qu'on dise on va identifier, moi je dis bon. ça va peut-être permettre de savoir les motos qui sont en ville, ça appartient à qui. Voilà, ça appartient à qui. Et puis, bon, ils payent encore les, les, frais. S'il faut prendre l'assurance et tout et tout. Ça, ça va permettre aux assureurs qui sont implantés là-bas de trouver de l'argent. Ça va permettre à l'État aussi de gagner de l'argent parce qu'il y a la, vignette qu'il faut prendre, des choses comme ça. Voilà, avant de donner la parole à Memouna, nous abordons donc la deuxième partie du forum de la presse. 790 euh, personnes, euh, dont 13 euh, de nationalité étrangère, sont arrivées à Agadez le 30 août, refoulées d'Algérie. Cette vague est constituée de 126 femmes 664 hommes et 133 mineurs, dont 32 enfants non accompagnés. Mais Mounegado, qu'est-ce qui explique ce refoulement massif des migrants dont la majorité sont nigériens Fatih, c'est d'abord un sujet vaste. La migration, mhm. on l'a toujours, on a toujours parlé de cette migration d'abord irrégulière, mhm. parce que c'est ça, il faut qu'on parle de migration irrégulière ici. Mhm. Des populations, des Nigériens qui quittent leur localité pour aller dans d'autres pays. D'autres voient que c'est la pauvreté qui les font quitter leur environnement pour aller chercher l'Eldorado, comme ils le disent. Mais en allant chercher l'Eldorado, il faut également essayer de comprendre ces familles qui atterrissent dans les pays maghrébiens, en Algérie, mhm. en Arabie saoudite ou bien en Libye. Mhm. Qu'est-ce que ces, ces, ces, familles vont faire là-bas C'est mendier, la mendicité, pour d'autres filles. Excusez-moi, c'est la mhm. prostitution. Donc, à côté de ça, ils sont en train de ternir l'image du Niger. Parce qu'on ne peut pas comprendre que plus de 700 migrants refoulés mm. et que sur les 700, il n'y a que 13 étrangers parmi les 700. Donc c'est une situation qui doit interpeller, qui doit interpeller l'État, qui doit nous interpeller mm-hmm. et qui doit interpeller même également la communauté internationale pour qu'ensemble on puisse véritablement cerner mm-hmm. le problème, voir qu'est-ce qui ne marche pas. Mm-hmm qu'est-ce qui ne va pas Parce que j'ai comme l'impression que quand on prend la situation de Kantier, mhm. où, qui avait fait également des morts, où des femmes et des enfants ont été trouvés dans le mhm. désert, ça avait interpellé la communauté internationale, mhm. ça a interpellé l'État par rapport à certaines dispositions. Il y a eu des micro-crédits, des micro-projets qui ont été en fait mis en faveur de ces familles. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que l'année d'après, mhm. ce sont ces mêmes familles mhm. qui ont déserté encore leur localité mhm. pour se retrouver de l'autre côté. Donc, ça veut dire que soit on crée les micro-projets, on crée, on donne le financement, il n'y a pas de suivi. Et quand il n'y a pas de suivi, il faut s'attendre à ça. Et certainement, les familles là, euh, elles pensent ou bien elles trouvent leur gagne-pain très facilement dans ces pays que de venir mendier. Parce que quand tu n'es pas dans ton pays, personne ne peut savoir ce que tu, mm-hmm. ce que tu fais. C'est entre vous là-bas. Mm-hmm. Et aujourd'hui, qu'on dise que c'est des femmes, des enfants et 37 enfants qui ne sont pas accompagnés, c'est un trafic. Il y a derrière ça aussi un trafic. Comment est-ce que ces 37 enfants se sont retrouvés là-bas sans être accompagnés Des fois, c'est les, les voies terrestres. Ces familles empruntent les voies terrestres qui les mm-hmm. amènent jusque là-bas, moyennant quelque chose comme compensation. Mhm. Et je me rappelle aussi que il y a euh, la douane, je, je, pense bien, où c'est la police mhm. des frontières qui a eu à attraper des enfants nigériens en partance dans un autre pays et qui ne sont pas accompagnés. Des jeunes, des enfants. Mhm. Mais si c'est ça, c'est un trafic aussi. Il faut regarder le côté du trafic aussi. Parce que c'est le, trafic humain qui se fait aussi de l'autre côté. Donc ça doit interpeller l'État. Mhm. Et ça doit également interpeller ceux qui sont en train de le faire. Parce que je ne vois pas l'utilité d'aller dans un autre pays et de se donner à la mendicité, de se donner à la prostitution et également ternir l'image de son propre pays. Il y a des gens, c'est pas la pauvreté qui les fait partir, c'est pas euh, cette histoire de pauvreté qui les fait partir. Mhm. Donc le problème, c'est tout simplement que on encourage mhm. surtout les jeunes à aller mhm. parce qu'il y a dans certaines coutumes que nous avons ici au Niger mhm. où un jeune homme, s'il n'est pas parti à l'aventure, c'est pas vraiment, il n'est pas apte à prendre une épouse on voit comme si c'est, il n'est pas responsable. Donc, il faut l'encourager à aller. Et avec les réseaux sociaux, ceux qui partent là-bas mhm. montrent tout autre chose, euh, On voit tout autre chose à travers les réseaux sociaux et à une famille et ainsi de suite. Mhm. Ça incite les jeunes, ça incite les femmes à aller parce que tout simplement, les hommes que nous avons qui abandonnent ces femmes, c'est de l'abandon ils ne peuvent pas aujourd'hui satisfaire ces femmes, mhm. ils ne peuvent pas économiquement les satisfaire, donc il faut les laisser aller à l'aventure. Et beaucoup de ces femmes reviennent avec des grossesses, <laughs> reviennent avec des enfants, qui accouchent, ils, mhm. accouchent là-bas, ils mhm. arrivent avec des enfants qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas les, les, enfants de leur mhm. époux. Donc, il y a beaucoup de questions. Vraiment, c'est un sujet très vaste, Fatih, mais il faut qu'on prenne conscience, il faut qu'on <coughs> essaye de voir à la racine qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ces gens, on les refoule, ils retournent. Ça, c'est vraiment, <laughs> c'est trop dit, c'est trop dit. Et puis, c'est trop facile d'accuser l'État et c'est trop facile également de dire qu'il y a la pauvreté et que c'est la pauvreté qui fait partie de ces gens-là. Armi, ce phénomène de migration des Nigériens, notamment les femmes et les enfants, prend de plus en plus d'ampleur. Généralement, c'est des gens, euh, des Nigériens, mhm. du sud de la région de Zender. Mhm. qui effectuent ces déplacements. Elle euh, n'est un secret pour personne. Mhm que dans cette euh, région, les terres ne suffisent pas. Euh, j'étais dans une commune mhm. euh, parce que j'ai refait le chemin qu'ils ont qu'ils font pour aller en Algérie. Je suis allé jusqu'à la frontière de l'Algérie où je voyais les militaires algériens. D'ailleurs, mon guide m'a dit il faut quitter vite parce que ils pourraient vraiment s'énerver et venir vers vous. Donc j'ai fait depuis Courny c'est une commune. Et là, le maire m'a dit que chez lui, euh, ils font 13 habitants au kilomètre carré. Hmm. La moyenne au Niger, il y a hmm. des endroits où ce n'est même pas un. Hmm. Vous voyez Et il dit tous les champs grâce, euh, malheureusement, je ne sais pas, en tout cas si c'est comme ça qu'il faut parler, il y a une explosion euh, démographique telle que les terres c'est-à-dire euh, ont été morcelés et ne suffisent à personne. Vous avez, tu, prétends avoir un champ, mais tu ne travailles même pas pendant une semaine mhm. que tu as fini de labourer. il faut convenir avec moi mhm. que ça ne peut pas suffire pour mhm. nourrir la famille toute une année jusqu'à l'année prochaine. Ok C'est des lopins, des vraiment très petits lopins de terre qu'ils ont. Avant, les gens, euh, les citoyens, les Nigériens de cette euh, partie du Niger mm. partaient euh, au Nigeria. Mm-hmm. Au Nigeria non plus, aujourd'hui, ce n'est pas la sécurité. Mm-hmm. Les gens partaient en Libye. Mm-hmm. La Libye, on sait ce que la Libye est devenue aujourd'hui, malheureusement, même si certains continuent d'y aller. En Algérie, ils ne laissent pas les bras valides, les hommes, pénétrer dans leur territoire. Donc même si tu y arrives, tu ne trouves pas de boulot. Mhm. Et les gens assument euh, dans la région euh, qu'ils vont pour mendier. Et la mieux, les mieux placés pour mendier, mhm. en fait, ceux qui gagnent en mendiant, mhm. c'est les femmes. Et surtout quand elles sont accompagnées de petits-enfants. Et ce qui fait que ils y vont moi j'ai discuté avec euh, un groupe euh, d'une quoi, je dirais d'une centaine de femmes, dont l'essentiel a déjà effectué ces déplacements-là, et qui disent que même demain on va partir. On les ramène. Ça fait mhm. combien de temps qu'on commence à les. Ils disent qu'ils vont revenir, qu'ils vont repartir parce que ici ils ont mhm. l'impression d'être en prison. On les a ramenés, mhm. on ne leur a rien fait. Il y a des ONG qui ont miroité des choses, mais c'est pour combien de personnes Ce n'est pas des projets de 100 personnes. Ce n'est pas des projets de 200 personnes. Non, il faut vraiment que l'État mhm. s'implique pour créer les conditions. Mhm. Dans cette même zone, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il a, si j'ai bonne mémoire, 41 enfants. OK, attention. Lui, il dit, moi j'ai fait la chance, j'ai hérité des terres. N'est-ce pas Il m'a amené ça dans son champ, j'ai vu mhm. son jardin une merveille. Il m'a dit, mes enfants n'y vont pas parce que on a des terres, mhm. nous avons de l'eau. Et Il si vous créez les mêmes conditions pour tout le monde, il n'y a personne qui veut aller chez mhm. quelqu'un pour mendier. Il dit, nous n'irons pas. Mais pour l'instant, il n'y a rien à faire ici, il faut qu'on aille. OK mhm. Et donc, les gens, euh, on a créé toute une, toute un armada de textes et tout pour leur empêcher de sortir. Euh, voilà la preuve. 700 mhm. personnes qu'on te ramène d'un seul coup. Il y a deux semaines. Une seule vague. Il y a, oui, une seule vague. Donc, autrement dit, le problème, il est mal mhm. abordé. Le problème, il est mal abordé quand on pense que les gens vont pour nous honir. Mais mhm. qui veut unir D'abord, c'est ta personne. La honte, c'est d'abord quelque chose de personnel. Personne, à mon avis, ne veut tendre la main pour prendre le, la charité. vous allez écouter Ousseini. Ousseini, que doit faire l'État pour mettre fin à cette pratique que peut faire l'État pour mettre fin à cette pratique C'est la question qu'il faut se poser. Que peut faire l'État Dans tous les cas, les mesures, les politiques publiques mises en œuvre dans le mhm. cadre de la lutte contre la migration irrégulière, ces politiques ont montré leurs limites. Et souvent, Mamblou a fait des pieds et des mains. Champion de la lutte mhm. contre, contre la migration, il est parti un peu partout demander l'argent avec les Blancs, ils disent euh, ils, ont, ils sont restés méfiants. On est devenu karma une frontière reculée de, de, de, l'Europe. On a mis un dispositif en place à partir d'Agadez où quand on voit, on a arrêté des gens, on les a jetés en prison, on a pris les véhicules, on a les, véhicules. Est-ce que ça peut empêcher Est-ce que ça l'a empêché En réalité, c'est un problème d'ensemble, mhm. c'est un problème structurel. Rémi vient de l'exposer. Mhm les gens qui s'en vont, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mhm. On dit, bon, mais il faut rester chez vous. Vous allez rester chez vous, il n'y a aucune perspective, il n'y a rien. Vous êtes là. La saison de pluie, c'est trois mois, n'est-ce pas mhm. Trois mois. Peut-être tout à l'heure, ils viennent de donner un cas tellement, comment dirais-je, un cas frappant, cette histoire de terre. Un petit lopin de terre, tu as dix <laughs> enfants. Qu'est-ce que ça te permet de faire Je n'encourage pas la manicité. Mhm. Les gens vont là-bas, mhm. surtout les femmes et les enfants. Ça fait combien de temps on les refoule Mais même ceux qu'on refoule là, ils trouvent toujours un mécanisme pour retourner. Mhm. Au bout de quelques temps, ils vont économiser pour pouvoir retourner. En vérité, c'est qu'il faut lutter contre la pauvreté. La pauvreté dans le milieu rural, pas seulement le milieu rural comme dans le milieu urbain. Tant qu'on n'arrive pas à lutter de manière soutenu contre la pauvreté. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les gens, personne n'a envie d'aller chez quelqu'un pour être humilié. Tout le monde le sait, chacun veut rester chez lui. Mais quand vous êtes dans une situation où carrément l'État est absent, rien. C'est ça qui pousse souvent les gens, surtout les femmes et les enfants qui s'en vont. Imaginez même le risque. Le risque, parce qu'il y a des chemins de contournement. Mhm traverser le désert pour aller prendre un véhicule à un endroit reculé où vous pouvez mourir de faim et de soif. Alors, si les gens, malgré ces risques-là, ils s'aventurent, ça veut dire que ça ne va pas. Les mesurettes qui sont mises en œuvre, ces mesurettes-là, ont montré leurs limites. Il faut faire des gros plans pour pouvoir aider les gens qui sont en campagne. Créer les conditions, ne serait-ce que dans les villages, même créer les conditions pour que les gens puissent être salariés. Pourquoi pas Oui, les micros, c'est des. <laughs> Voilà. Oui, il faut. Mais malheureusement, mais malheureusement, il n'y a aucun suivi. Il y a un financement qui est là, les gens bouffent le financement. Il n'y a pas de suivi parce qu'on donne, voilà. 25 000. voilà. On dit il faut te réaliser. Nous passons, euh, Arimi, nous passons rapidement. Oui. Juste un mot. En fait, moi, j'ai discuté avec leur euh, intermédiaire. C'est-à-dire, elles, vont en Algérie. C'est à lui qu'ils envoient, qu'elles envoient l'argent il va, il récupère à et il vient, distribuer le jour du marché parce que tous les villages convergent. Mais ce qu'ils font rentrer n'est pas comparable à ce qu'on leur donne, 25 000. Mais quelqu'un qui a faim, 25 000, c'est un sac de riz. Nous passons rapidement à la troisième et dernière partie euh, du forum <laughs> qui porte sur l'éducation. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a effectué le 30 août dernier une visite au niveau de l'internat des filles construit à Kélé dans le département de Gouré, région de Zander, pour accueillir 144 jeunes filles. L'objectif étant de maintenir la jeune fille à l'école. Maimoun Gado, quelle appréciation faites-vous euh, de cet ambitieux programme des plus hautes autorités de l'État D'abord, je suis très contente. Très contente de mhm. savoir que euh, ces 144 filles, en mhm. tout cas, vont pouvoir étudier dans les conditions optimales. Mhm. Que ces 144 filles n'auront pas à déserter euh, la sixième parce que pour faute, en tout cas, euh, d'accompagnement. Mhm. Et il l'a dit euh, lors de son investiture qu'il allait mettre les moyens mhm. pour que la jeune fille aujourd'hui puisse étudier au même pied d'égalité que le jeune garçon. Mhm. Et bon, c'est déjà une très belle initiative il faut encourager cette initiative, mais il faut également, parce qu'il y a un mais, c'est le suivi. Parce qu'on a comme l'impression que il y a euh, l'ambition de faire, il y a le concret qui est là, mais des fois, c'est au niveau du suivi que ça manque. Et j'espère, comme il l'a dit, que d'ici 2022, on aura plus une centaine donc, centaines en tout cas d'internats qui seront créés, qui seront en tout cas, qui seront là pour pouvoir accueillir ces filles dans les huit régions mhm. du pays. Mhm. C'est déjà une bonne chose et euh, il faut également féliciter mhm. le courage aujourd'hui de certaines ONG euh, locales qui ont lutté et qui, sont, qui continuent de lutter pour vraiment euh, l'éducation de la jeune fille. L'éducation, parce qu'on l'a dit, dans un pays, pour le développement d'un pays, mhm. il faut d'abord faire en sorte que la femme soit instruite. Et aujourd'hui, on ne peut pas rester sans instruire ces jeunes filles, parce que ce sont ces jeunes filles qui seront les femmes de demain. Ce sont les pionnières de demain. Mhm. Donc, pour un bon développement d'un pays, il faut passer par l'éducation. Et l'éducation, ce sera l'éducation de la jeune fille. Arimia Bachari, quelle appréciation faites-vous de ce projet des plus hautes autorités Nous, on a connu les internats. Hein. Moi, je n'ai pas fait personnellement l'internat, mhm. mais les... surtout, euh, nous, on était en sixième quand les mhm. internats étaient, ont été formés mhm. au Niger. Euh, donc, c'était plus les garçons qui étaient à l'internat et les filles étaient, étaient en ville. Mais dans tous les cas, c'est des bonnes conditions euh, d'études euh, qui sont créées pour que ces filles-là continuent d'aller à l'école. Mhm. Euh, mais je me pose toujours la question. Mhm. par exemple, à Kelley, on vient de créer, c'est pour 140 mhm. jeunes filles. Alors, est-ce que on rassemble les filles de la zone, mhm. n'est-ce pas, dans un internat. Euh, même ceux qui ont, c'est-à-dire, c'est des collèges maintenant comme le collège Mariama, mhm. qui seront créés, mhm. je crois plus, en fait, à, au, collège, en fait, au, collège de proximité. C'est-à-dire, euh, assez d'enseignants, assez d'infrastructures, le plus petit village qui a une école primaire, a aussi son collège. C'est-à-dire, tu n'as que trois euh, enfants en troisième, quatre enfants en troisième, tu vas quand même amener les professeurs qu'il faut pour mhm. les encadrer. Moi, je crois plus à ça. Mhm. Parce que, est-ce qu'on peut créer suffisamment l'État du Niger Est-ce mhm. qu'il peut créer suffisamment Parce que là, Maïmouna a parlé de 100. 100 écoles, 100 internats de 140 filles, ça me fait tout simplement 14, 1400 euh, ou 14 000, je ne sais plus là, C'est négligeable par rapport aux besoins concrets qu'il y a dans le pays. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment là, aujourd'hui je sais que beaucoup de communes, même rurales, ont des collèges, mhm. n'est-ce pas Parce que ce qui se pose comme problème pour les jeunes filles, c'est de ne pas avoir de tuteurs et même pour les garçons, ça se pose en mhm. réalité, de tuteur pour, chez qui étudier mhm. pour atteindre un certain niveau. Mhm. Après le bac, bon, quand il vient au campus, encore, ça va mieux, ainsi de suite. Donc, est-ce que ce n'est pas les écoles qu'il faut créer et laisser la jeune fille chez ses parents moi, je, me, pose parce que oui, c'est bien mhm. de faire, par exemple, des codes de, localité. localités. Euh, il y a très épars. Tu mhm. n'as pas dans l'école, tu n'as pas plus de 20 enfants. Amener autant de proviseurs ou de professeurs, c'est cher. Mais je crois que c'est bien de pouvoir créer assez d'écoles pour que un kilomètre à la ronde, qui est l'école, et que les gens restent chez leurs parents pour aller étudier. Parce que sinon, j'ai l'impression que le problème risque d'être entier. Hussein, rapidement, nous sommes presque à la fin. Oui, mais moi, rapidement, je, moi, je suis un peu <laughs> pessimiste, quoi. Parce que je me dis, quelque part, j'ai connu un peu le système d'internat. Si Kunti a décidé de fermer les internats, on avait évoqué le problème de grève, ça n'avait pas lien, un lien direct avec. Mhm. C'était lié au moyen de fonctionnement. Parce que faire des internats suppose quoi mm que C'est qu'il faut mettre des lits, il faut mettre des matelas, il faut chaque année la restauration et tout et tout, le savon, tout. Ça, c'est beaucoup d'argent. Oh, ok, on a fait quel est, on dit bon, voilà, comment dirais-je, c'est un test pour voir ce que ça va donner. Mhm. D'ici quelques années, on va faire. Mais moi, je me dis, quand j'ai vu certains internats, j'ai vu à Bilma, mhm. le collège de Bilma, quand j'ai vu ce que les enfants mangeaient mhm. au niveau de l'internat, je me suis posé des questions. La qualité de l'alimentation même laisse à désirer. Le tout n'est pas de faire des internats. Parce que bon, c'est quoi l'esprit On fait des internats pour permettre aux filles de rester à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans, n'est-ce mhm. pas C'est ça, non Pour empêcher les mariages précoces et mhm. tout et tout. Mais malheureusement, malheureusement, il faut une sensibilisation soutenue. Mhm. Et je crois que avec l'UNICEF, les chefs traditionnels ont été beaucoup mis en contribution dans le cadre de la sensibilisation. Mais ça ne va pas empêcher que le problème perdure. Ça dit, même quand tu as les internats, moi je ne me fais pas d'illusions. Et il y a un autre risque. Il y a un autre risque. Ok, on va camper les, filles dans, des machins. Aujourd'hui, avec le système de téléphone portable et tout, et tout on a vu l'école normale de Tilabéry, des gens quittaient Niamey pour aller euh, passer les, week-ends. voilà. Alors, ça, comment on peut créer les conditions pour que les, les filles qui vont être internées là, soit épargné. mais, justement, ça va être compliqué, Maïmouna. Ça va être compliqué parce que déjà, déjà, déjà, déjà, l'école, l'école même, l'école même tient sur des béquilles. Je, pense, euh, alors, je, suis euh, en fait mhm. en grande partie très d'accord avec euh, mhm. mais moi je pense que ce qui est plus plausible, ce qui est plus, euh, qui peut, pourrait être plus intéressant pour la mhm. jeune fille, je crois que c'est l'allocation. location c'est-à-dire, euh, à l'époque, nous, on nous donnait 18 000 le trimestre. Mm, n'est-ce pas mm-hmm. Si on peut faire même 10 000 par fille par mois, mm-hmm. je pense que ça peut améliorer énormément des choses. Voilà, maintenant, peut-être que les gens vont se mettre à chercher des filles pour avoir ça, mm-hmm. mais vraiment, la fille, elle est à l'école, elle justifie vraiment sa présence, son assiduité à l'école. À la fin du mois, on va lui donner ses 10 000 francs CFA mhm. pour acheter du savon, pour acheter vraiment les besoins particuliers que les jeunes filles ont. Mhm. Je pense que ça peut changer beaucoup de choses que de créer l'internat. Oui, c'est vrai qu'il euh, il y a des pratiques euh, à l'internat, euh, elles se tirent vers le haut, chacun veut bien faire, machin, mais aussi, ce sont des solutions, je crois, à envisager. merci. Nous sommes au terme du forum de la presse du studio Kalangu. Nous étions en compagnie de Arimi Abakari, journaliste à la radio alternative. Hussein Issa, journaliste freelance, et Memoune journaliste freelance également. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation était assurée par Fatih Zakari. La réalisation Seni la technique Mustapha Ayouba. Rendez-vous euh, samedi dès 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec euh, Actu des jeunes en 5 langues, suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 euh, samedi, le forum en Hausa sur la contribution des femmes élues locales à Magaria. Et le dimanche, le forum en germa sur l'inondation au Niger. Merci. Le programme continue sur le studio Kalongo.